sama naataango yi nga xam ne tey ñoo ñëw teew si fi tey ngir taataan li nga xam ni moom laa bëgg a wax jëmale ko ci réew mi maa ngi am mbégte lool nag ci euh, macha allah naataango yi ni ñu ñëwee euh, am naa ci mbégte lool parce que dafay wane euh, même bu sax li ñu bokk li ñu seq buy métier bi. dafay wone farlu gi nga xamni sama naataango yi am nañ ko ci déglu limay wax te mu jëm ci réew mi conférence de presse bi nak ni la tëddee dafa am luma bind lu ñuy woowee texte liminaire bo xamni ci français la ko bind dama koy lire ci français inshallah suma noppé ma traduire ko ci wolof su noppé amna am listu fukki média yo xam bind nañ ko en tout cas junior mi ngi koy bind ni ñu poser ay questions suñu paré ma répondre ci questions yépp bu questions yi pare nak ñu ñu yëkëti mbolo mi ndax amna ay télé yo xam ne am contrainte dem préparer seen élément pour journal donc lolu moo tax donc euh, mesdames et messieurs je vais commencer cette conférence de presse par la lecture d'un texte luminaire. Très chers confrères, je voulais, après l'apparition du tome 1 de Macky Sall face à l'histoire, regagner mon trou pour me plonger dans la rédaction du tome 2. Un tissu de mensonges et de falsifications si tissé m'en a empêché. Des, faits, des fake news fabriqués par une redoutable machine de désinformation inquiètent mes amis et proches au Sénégal et à l'étranger. Alors que Dieu merci, il ne se passe rien de tout le scénario catastrophe qui a été présenté. Je me devais donc de me soumettre au présent exercice de clarification. Mes chers confrères, il y a un mois, paraissait Macky Sall face à l'histoire, Pacha jusqu'à scanner d'un pouvoir africain. Quel boom Quelle histoire Depuis l'explosion de ce que Alun a appelé une bombe à fragmentation, je vous informe, chers confrères, que la gendarmerie nationale a placé mon domicile, ma famille et moi-même sous protection. Je n'ai rien demandé. L'État du Sénégal a pris ses responsabilités après avoir découvert des manœuvres pour s'attaquer aux miens et à moi-même. Le courageux journaliste Alun a raison. Nous vivons actuellement dans ce pays sous une dictature de la pensée. Mais moi, cher Sek, j'ai décidé de ne pas me soumettre. Un mois après sa parution, je puis vous assurer que Macky face à l'histoire, a battu tous les records de vente dans le genre de l'essai politique. Plusieurs milliers d'exemplaires ont été écoulés en dépit du sabotage commercial qui a consisté pour un kidam identifié à Paris à balancer sur le net la version PDF de l'ouvrage. Destiné à nuire, ce geste a fini par rendre service tous les Sénégalais sachant lire qui ont pu se procurer la version papier ont eu la possibilité de consommer le livre sur le net. Cela me donne d'ailleurs une idée pour la vulgarisation du tome 2 à paraître. Ce qui m'importe en effet, c'est moins de gagner de l'argent que d'être lu. Dieu merci, le tome 1 doit sans doute être l'ouvrage politique le plus lu de l'histoire de notre République grâce à l'effet multiplicateur d'Internet. Contrairement à l'analyse de mon distingué confrère Charles Fay, je n'ai pas cherché à choquer pour créer le buzz afin de pouvoir vendre et gagner des milliards je déclare solennellement que l'argent issu de la vente du tome 1 sera versé sous l'œil des caméras à des œuvres caritatives. Autre fait news que je me, que, autre fake news que je me dois de relever. Ce livre n'a été commandité par personne. Je ne suis pas au regard de l'idée que j'ai de moi-même, un individu qu'on Ce livre m'a été inspiré par l'observation de mon pays avec le recul. Il visait un seul objectif, susciter le débat dans le souci de mieux faire. Voilà pourquoi j'ai regardé avec intérêt les mises au point de la Sénélec et de la compagnie d'électricité du Sénégal en réaction au chapitre 5 relatif à la gouvernance non sobre et non vertueuse du secteur de l'énergie. Tout comme le communiqué du ministère de la Pêche en réponse au chapitre consacré au massacre du secteur de la pêche. Le député Mamoud Lamine Diallo ayant initié des commissions d'enquête parlementaires sur la base des chapitres 5 et 9 du livre, le Sénégal saura donc qui a dit la vérité au sujet de l'énergie et de la pêche. Les commissions d'enquête, je pense, vont me départager avec la Sénélec, avec CES et avec le ministère de la Pêche j'ai lu avec respect les textes du chroniqueur MLD et de l'expert pétrolier Abdoulatif Khan, même s'ils ont été critiques envers mes écrits. En revanche, je laisse à leur sort ceux dont les pères et mères ont enfanté des insulteurs. Quel drame que celui d'une mère d'avoir mis, au monde un insulteur pour le compte de l'enfant d'une autre femme. C'est un vrai drame ça, c'est plus qu'un drame, c'est une tragédie. Le paroxysme du mensonge a été atteint avec la fake news du divorce entre Astridion et moi. Je rectifie une autre information tout aussi mensongère. Je n'ai pas été convoqué contrairement à la une de ce journal, qui cherchait visiblement à surfer sur le buzz lié à mon nom. Ma société Syscom est opposée au CISS e devant le tribunal du commerce depuis plus de deux ans.